Tu peux permettre aux enfants de sortir en ayant un regard sur leur fréquentation, avec qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font là-bas. Dans nos coutumes, dès qu'on aborde certains sujets avec les enfants, on considère qu'on les pousse à la débauche, alors qu'on doit échanger avec ces enfants, parler de tout, sans tabou. Ils vont se confier à toi et te comprendre. Ainsi, tu peux les conseiller sur les sujets tels que la sexualité, mais tu ne peux pas aborder directement de tels sujets avec eux Dès que ton enfant est pubère, son corps commence à changer et tu dois persévérer dans ces dialogues, multiplier les conseils, surtout avec les filles, pour éviter l'irréparable.